le cadre de la riposte contre la propagation de la pandémie du Covid-19, le coronavirus, qui est apparu dans notre pays depuis le début du mois de mars, l'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal a entrepris un certain nombre d'actions. Et dans ces actions-là, on avait commencé par la sensibilisation avec la confection d'affiches donc à distribuer à certaines structures sanitaires. Mais toujours dans, dans ce cadre-là, nous avons jugé nécessaire d'apporter une forte contribution à l'effort de guerre qui se fait sur l'ensemble du territoire national et d'appuyer le ministère de la Santé dans les actions qui sont en train d'être faites. Et c'est pourquoi nous nous avions engagés dans le cadre de la production de solutions hydroalcooliques avec la collaboration du département de pharmacie galénique de la faculté de médecine de pharmacie et d'odontologie de de Dakar. Oui, c'est la deuxième production bi ci ciblé les établissements publics de santé de niveau 1 Nous sommes ne Dakar, lañu Dakar muy Pour les polyclinique Médina ak Roi Nous ñu aussi un centre de gériatrie bu Kermak. wax donc production de parce que war na ci litres Nous avons 12 000 flacons de 500 ml donc si nous avons un petit peu de temps donc le temps ñu avons a production donc du décanat de la faculté de médecine, du décanat ou faculté de médecine de pharmacie l'ontologie, ak aussi union nationale des chambres de commerce d'industrie et d'agriculture du Sénégal. ñu am président le chambre de commerce au lieu que ñuy des jeunes pharmaciens encadré par docteur de que nous, fabriquer le c'est 100 fabriqué au Sénégal. Le travail ici consiste d'abord à réceptionner les matières premières qu'on a reçues des fournisseurs, euh, tenir des fiches de stock pour nous assurer que les matières premières que nous avons reçues correspondent à ce qu'il y a dans la salle de stockage. Et nous sommes aussi censés euh, délivrer à chaque équipe les matières premières qu'ils ont besoin pour assurer leur production journalière. Et une fois qu'ils finissent euh, leur production, c'est-à-dire transformer les matières premières en, en, solutions hydroalcooliques. Ils sont censés nous les délivrer. Donc nous réceptionnons les produits finis, étiquetés et mis dans des cartons pour qu'on puisse s'assurer que les matières premières euh, qu'ils ont reçues correspondent bien au nombre de produits finis qu'on a au, final. Nous tenons aussi des fiches de stock pour, euh, pour une, euh, une, bonne évaluation des intrants reçus et euh, des produits finis à la fin. On a lancé une deuxième production qui a fait aujourd'hui 8 jours. Depuis cette production, la deuxième, on est actuellement à 3000 flacons de 500 ml. Nous, au niveau du laboratoire de Galénique, on s'est organisé ainsi. On a des postes et pour chaque poste, deux docteurs en médecine ou deux docteurs en pharmacie qui s'occupent des préparations. Là, on a les matières premières, l'alcool, l'eau distillée, l'eau oxygénée et la glycérine. Après un débriefing le matin, chacun sait ce qu'il doit faire. Donc on travaille en harmonie, par binôme pour faire les préparations. Des préparations aux normes, avec des mesures exactes. C'est le Puy pharmacien. Je suis membre de l'association et Priorité Santé, qui est une structure sanitaire regroupant des médecins, des pharmaciens et des dentistes. Nous sommes venus aujourd'hui pour accompagner les UPS dans la production de solutions hydroalcooliques. Je me nomme Pierre Bamba Aziza, donc je suis en quatrième année pharmacie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis Bukinabe à la base, mais je suis venue ici à Dakar pour faire mes études. Aujourd'hui, nous sommes là en tant que pharmaciens pour apporter notre main, pour apporter notre expertise à l'État, à la communauté. Je suis euh, Ousmane Semou Pindangay, le président de la promotion sortante de pharmacie 2020, nommé 2020. Nous avons rejoint l'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 à travers la production de solutions hydroalcooliques. Et donc nous sommes là naturellement depuis quasiment le début de l'opération et particulièrement depuis le premier jour de production pour ce lot précisément. Et nous sommes d'ailleurs ravis d'en faire partie et vous prions de respecter davantage les mesures préventives contre le coronavirus. Monsieur le Président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'artisanat du Sénégal, chers invités à vos titres, grades et qualités, je voudrais, au nom de Monsieur le Recteur, Président de l'Assemblée de l'Université Cheikh de Dakar, le professeur Ibrahim Tchoub, et l'ensemble du personnel de l'Université Cheikh de Dakar, vous souhaiter la bienvenue. Vous venez à la faculté de médecine, de pharmacie et de somatologie pour recevoir un don ou une contribution de l'Union nationale des jeunes pharmaciens du Sénégal. Ce don qui est possible grâce à l'accompagnement de l'Union nationale des chambres de commerce. Je pense que c'est un geste extrêmement important les jeunes pharmaciens n'ont pas rompu le lien qui les réunissait à la faculté de médecine. Ça fait partie de nos missions de veiller à ce que les personnes que nous formons puissent avoir un emploi et contribuer au développement du Sénégal. C'est pour cela vraiment je magnifie cette euh, démarche et surtout qui permet, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, de mettre en exergue la qualité et la capacité d'entrepreneuriat du, de de, du produit que nous formons à la faculté. Je suis très fier d'eux. Vraiment, je voudrais au nom donc, du recteur les remercier d'avoir pensé à cela et surtout remercier l'Union nationale des chambres de commerce pour les avoir accompagnés, pour que ces talents, comme l'a dit le ministre, puissent émerger et puis que ça soit une tâche d'huile pour l'ensemble du Sénégal. Je voudrais vraiment, donc en ce moment au nom du le ministre, vraiment donc vous remercier, remercier à l'occasion donc le ministre de la Santé, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui sont donc nos ministres de tutelle, dépendons de ces deux ministères, euh, pour simplement donc le soutien et surtout euh, les encourager et les féliciter et prier pour que le bon Dieu nous débarrasse rapidement de la Covid-19. Merci. Je pense que de Covid mais nous lu ñu nous jàngal. monsieur le ministre ñi am fait ci yow nga ce nous gërëm Sénégal gérer société gérer emploi gérer ministère. ak social bi nga xam ne nii yaa ngi koy def fii nag su may tudd ñu fi daje ñëpp sax xëy na dañ fi yàgg waaye ay kilifa rek fi daje président Alioune Dia ngi nii mooy président force paysan président Thiam mooy président interprofessionnel du semence président Abdoulaye jëm mooy président chambre de commerce bu Thiès. ah présente même les jeunes euh, commerçants assis ici chambre de métier avec ak association professionnelle pour au moins encadrer les jeunes créateurs pour ce créer nous manquons ko mettre dans une action ko ci productive je pense que c'est le que commencé je me rappelle bien que nous wax vers 1500 la France première décision pour développer son économie on interdit l'exportation des matières premières et on interdit l'importation des produits finis loolu est le développement industriel de l'Europe et je pense que le Sénégal je pense que euh, le euh, euh, président de la République nous avons des les opérateurs économiques avec les nifi il y a la xam les les docteurs le savoir parce que savoir et économie c'est une rek Moi, science moins développé en tout cas Je voudrais saluer le président Serigne saluer tous les responsables qui sont avec lui, le président alioudia le président Cham, le doyen de la faculté de médecine, le professeur, euh, mais aussi les présidents et tous les jeunes étudiants de l'association des jeunes pharmaciens du Sénégal. Et moi, je réjouis vraiment d'être là cet après-midi à l'université chez Anta temple du savoir, pour... Normalement, je devais accompagner mon collègue et frère Abdoulaye Djoussar, ministre de la Santé, pour assister à cette cérémonie de haute portée patriotique je voudrais en profiter pour réitérer nos, encouragements et notre soutien à tout le personnel de la santé pour tout le travail qu'ils abattent pour combattre cette pandémie. Et ce que nous réunissons aujourd'hui ici, c'est un don que l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal et l'Association des formations du Sénégal ont décidé d'en faire une contribution pour la lutte contre la pandémie. Je voudrais vraiment, comme j'ai dit, saluer cette, euh, ce geste de haute portée patriotique. Parce que dans cette guerre, comme le président de la République nous appelle, aucun moyen n'est de trop. Je voudrais donc, président Seringbou, vous féliciter, vous et votre organisation, d'avoir pensé accompagner les jeunes pharmaciens du Sénégal pour faire cet important don au ministère de la Santé, donc aux populations sénégalaises. En tant que patriote, en, en, termes de contribution pour, cette, euh, pour la pandémie, mais aussi aux jeunes Sénégalais qui doivent comprendre qu'aujourd'hui, nous devons oser entreprendre. Merci pour ça, M. le Président Seringboub, À mon nom personnel, au nom de mon collègue M. Abdoulaye Sark, au nom du Président de la République, nous voudrons vraiment vous féliciter, vous remercier pour cet important don que vous mettez à la disposition du ministère de la Santé.